le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio Il est 18h15 à Niamey, c'est l'heure du forum des studios Kalangou. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité au programme d'Issidio studio qui sont diffusés en direct par 45 radios partenaires dans toutes les 8 régions du Niger. Des programmes aussi disponibles sur notre page Facebook Studio Kalangu, notre site internet www.istudiokalangu.org et sur WhatsApp. Aujourd'hui, le forum d'Issidio studio a pour thème préparatif de la campagne agro-silvo-pastorale 2020-2021 au Niger, enjeux, défis et perspectiva Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, Albade Abouba, était samedi 30 mai 2020 devant le Parlement nigérien pour présenter le plan de la campagne agro-silvo-pastorale 2020-2021. Il a d'abord rappelé que c'est dans un contexte difficile marqué par l'insécurité, la récession économique, le changement climatique auquel est venue s'ajouter la pandémie du Covid-19 que son département ministériel a préparé un plan de campagne agropastorale 2020-2021 euh, évalué à un peu plus de 39 milliards de francs CFA, dont environ 17 milliards de francs CFA sont inscrits dans la loi des finances 2020. Ce plan, a expliqué le ministre d'État, a pour objectif de mettre à la disposition des producteurs des intrants agricoles, du matériel et équipement agricole pour les aider à tirer le meilleur profit de la saison des pluies, selon un article de l'agence nigérienne de presse publié le 30 mai dernier. Avec nos invités, nous allons chercher à comprendre à travers une analyse de ces données le niveau de préparation de la campagne agro-silvopastorale 2020-2021, mais aussi espérer obtenir des recommandations pour de meilleurs résultats dans ces deux secteurs vitaux de l'économie nigérienne qui sont l'agriculture et l'élevage. Pour ce faire, nous avons dans ce studio à Moussa Alignali, chargé du programme de l'association Moribane. Moussa Alignali, bonsoir. Bonsoir et El Haj El Mansour Mohamed, secrétaire général du collectif des associations pastorales du Niger, Kapan. El Haj El Mansour Mohamed, bonsoir. Bonsoir. Nous avons également invité le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage à travers la Direction générale de l'Agriculture et de l'Élevage, mais aucun représentant n'a aujourd'hui pris part à ce forum. Au microphone, Mokhtar Hamadou. Moussa Lignali, que peut-on savoir au sujet des préparatifs de la campagne agro-silvopastorale 2020-2021 au Niger euh, Merci. Merci au studio Kalangu qui nous a permis donc de s'exprimer ce soir. Merci aux, aux auditeurs qui nous occupent aussi. Donc, euh, en ce qui concerne donc, euh, les préparatifs de la campagne agro-silvopastorale 2020, nous pouvons dire qu'au niveau donc de la fédération mauribaine, euh, les choses se passent bien. Nous avons acquis euh, avec nos partenaires euh, des semences, des intrants, avec la libéralisation du secteur donc des engrais. La fédération mauribaine est distributeur agréé. Nous avons notre agrément, donc ce qui nous a permis de disponibiliser une certaine quantité d'engrais au niveau donc de nos différentes unions. Et tout cela afin donc de mettre le minimum, et de réunir le minimum de conditions au niveau donc de, des unions pour préparer donc euh, cette campagne hivernale à l'échelle donc de, de Moribène. Moussa Alignali, euh, quelles sont les difficultés des agriculteurs et autres producteurs nigériens En termes de difficultés, que ce soit du domaine pastoral ou agricole, les euh, difficultés sont multiples et plus grand que les réponses apportées. Et cela donc euh, va de deux côtés, tant du, côté matériel que du côté structurel, donc organisationnel, opérationnel. les ressources ne suivent pas. Le Niger importe tout. On n'a pas une politique agricole de développement proprement dite. Parce que normalement, la recherche doit identifier donc les besoins des producteurs, les besoins auxquels font face les producteurs et cela va servir de matière de base pour les institutions de recherche qui doivent développer des technologies innovantes appropriées donc aux besoins donc de nos producteurs. Pas importer ou bien faire des simulations que bon, euh, mener des hypothèses qui peut-être ne sont pas valables dans les localités. Et de l'autre côté, l'appui de l'État ne, suit pas. On attend tout de l'extérieur. Deux fois, on fait des projections. Si je reviennent un peu aux, prévisions budgétaires. On revient donc à 17 milliards ou bien 39 milliards qui sont prévus pour préparer donc cette campagne. Quand vous prenez donc même les, terres agricoles au Niger, donc quand on investit, même on fait un ratio en termes donc d'investissement, rien que pour l'année 2000, euh, cette euh, campagne 2020, par rapport aux superficies, on voit que quand on injecte réellement ces fonds, donc là où c'est destiné, vraiment, on aura gain de cause. Mais chaque année, on, prévoit donc des, budgets, des fois la mobilisation des fonds n'est même pas garantie. Et donc, ce qui veut dire que, bon, on fait avec ceux qui tombent, on fait des prévisions, il y en a qui attendent. Les partenaires, même s'ils veulent intervenir, s'ils entendent que, OK, tel partenaire ou bien l'État veut faire telle chose dans tel domaine, ils vont dire, OK, au lieu de multiplier ou bien de dupliquer les interventions ou bien les fonds dans un seul secteur, pourquoi ne pas me permettre donc de dévier là-bas Or, il se trouve que l'État n'a pas pu mobiliser et de l'autre côté, le partenaire censé apporter sa contribution dans l'aspect ou bien dans le domaine est absent du fait qu'il ne veut pas dupliquer les mêmes euh, interventions dans les mêmes localités. Ce que c'est du sous-poudrage. Pourquoi je dis ça Les ressources, quand il faut d'abord diagnostiquer quelles sont les, les, zones agricoles favorables. Surtout, on est face à un changement, euh, à des effets de changement climatique on ne maîtrise pas toutes les données. Donc, on sert des bassins de production traditionnels où la maîtrise d'eau est quand même importante et puis on avec des, estimations plus ou moins maîtrisées. Donc, au lieu de, dispatcher donc les ressources humaines et puis matérielles un peu partout, l'idéal c'est de concentrer, de se concentrer sur un secteur ou bien une zone bien déterminée, investir le maximum et les résultats seront au rendez-vous. Moussa Lignali, on sait que dans beaucoup de localités, euh, des, gens ont sémé. Est-ce que euh, cette maladie du Covid-19 aura un impact sur le bon déroulement de la campagne agro-silvopastorale 2020 Effectivement, cette pandémie de coronavirus aura des conséquences euh, sur la campagne agricole et pastorale, en sens que les réserves sont épuisées. Les saisons ces derniers temps au Niger, donc, ce n'est pas la sélection massale qu'on connaît antérieurement, du fait que euh, la plupart du temps, le cycle n'est pas bouclé. Ce qui veut dire qu'à chaque campagne, donc les populations ou bien les producteurs seront obligés de se replier sur l'approvisionnement donc en semences de qualité et en quantité suffisante. Or, on sait que le Niger importe beaucoup d'intrants, beaucoup d'intrants agricoles, de semences et, et diverses. Or, avec euh, la fermeture des frontières, avec euh, euh, le cloisonnement, c'est-à-dire que chacun se replie sur soi, chacun essaie donc de se sauver la peau plus que d'aller. Donc, tu n'as même pas fini donc, chez toi, à plus besoin d'aller aider chez l'autre. Or, on sait que le Niger n'a pas les capacités à, à, lui seul donc, de faire face à l'énorme attente donc, de ces populations-là. D'où encore, je me répète, euh, le Covid-19 aura certainement donc des conséquences parce que l'approvisionnement en entrant, l'approvisionnement en, semences, le grand bruit qui se faisait avant, donc à l'entrée, donc à l'approche de la saison des pluies, euh, ne, se fait plus. Vous n'entendez plus parler donc de la Caïma a reçu tel tonnage d'engrais, on a acheminé, on a fait donc tout est au silence. On ne sait pas à quand le dénouement donc de cette situation là. Al-Mansour Mohamed, quelle est la situation des éleveurs et leur cheptels en cette période de soudure Merci. Euh, euh, par rapport à la situation des éleveurs pasteurs, nous ne pouvons pas l'aborder sans parler un peu du, contexte. Le contexte lié effectivement à, la cette pandémie coronavirus, n'est-ce pas Il y a également le contexte lié au déficit forager et le contexte lié à l'insécurité transfrontalière euh, et les crimes organisés. Comme vous le savez, nous avons beaucoup de mouvements de population éleveurs qui n'arrivent pas à rester où elles sont, qui sont Berry autour de Bani Bongo, à Bala, euh, des éleveurs aujourd'hui ou des familles d'éleveurs qui ne peuvent pas rester où elles sont. À cause de la maladie ou à cause de, de l'insécurité À cause de l'insécurité. Aujourd'hui, il y a beaucoup de zones abandonnées où on demande aux gens de quitter. Aujourd'hui, il y a en plus de, cette, de ces de population éleveur du Niger, qui sont autour des grandes villes, autres, il y a la question des réfugiés qui sont venus grossir le, lot. C'est du coup qui constitue, de mon point de vue, une surcharge sur euh, ce que nous avons comme potentialité, etc., etc., Et la conséquence, encore, c'est que tout naturellement, le, pouvoir d'achat des éleveurs pasteurs vont chuter parce qu'il y a une fermeture de frontières les gros exportateurs ou acheteurs de, de, bétail ne sont pas là. Et certains marchés ne sont plus animaux comme avant. Les, éleveurs nous les ont dit qu'ils passent de marché en marché avec leur bétail, ça ne se vend pas. Ce qui a quand même une conséquence sur les conditions de vie des, éleveurs pasteurs. Donc toutes ces situations auront des conséquences sur le prix euh, des animaux, selon vous Oui, les, animaux ne se, ne, se, vendent pas. À l'heure actuelle où je vous parle, il y a, des zones où on me fait savoir qu'il y a des animaux qui commencent à tomber. Oui, oui. Dans la zone des Indères, nos représentants des Indères nous ont parlé de, ces ce cas-là. Avant d'arriver ici au studio, on m'a parlé de ce cas-là dans, le nord d'Abalak, euh, entre Abalak et Ngal. Il y a, quand même des difficultés. C'est vrai que l'État à travers son plan d'urgence, là, a, mis en place un certain nombre de tonnages d'aliments bétail au profit des éleveurs pasteurs. L'État a procédé à la vente à prix modéré, etc. etc. Ce qui a certainement euh, soulagé euh, un peu ces populations-là. Mais je vous dis que les conséquences du coronavirus, n'est-ce pas, ne peuvent pas s'effacer tout de suite. Il faut vraiment un, accompagnement. Il faut, comme l'a dit euh, le ministre, je crois, le ministre d'État, d'État l'élevage, ce qu'il nous faut, vraiment euh, un plan de soutien. C'est-à-dire que euh, ça doit nous faire réfléchir. Il ne faut plus qu'on soit surpris par ce genre de situation. Nous sommes un pays sahélien, il l'a dit, un pays où nous ne maîtrisons pas les alias Et nous sommes confrontés à tous ces, à tous ces phénomènes d'insécurité, etc. Nous devons être plus euh, alertes et plus, en tout cas, prévoyants nous ne pouvons pas attendre chaque fois qu'un problème se pose pour lui trouver la solution. Je pense que la solution de l'agriculture et de l'élevage, euh, les problèmes d'agriculture et d'élevage dans notre pays doivent trouver des solutions durables. Monsieur le SG, sur Mohamed, est-ce que euh, les, aliments bétail sont disponibles au niveau des points de vente au Niger Les aliments bétail euh, ne sont pas disponibles partout. Il y a aujourd'hui même il y a des cas où il y a un pic où les éleveurs... C'est dû à cause de la période de soudure La hein. période de soudure, ça une période très difficile. Très difficile. Et c'est en ce moment-là moi, que l'État doit faire un peu plus d'efforts, plus d'efforts pour accompagner ces éleveurs pasteurs qui sont dans des contrées un peu difficiles d'accès. Vous savez, l'accessibilité souvent constitue parfois une préoccupation. les, les, éleveurs parfois sont dans des zones difficiles et ah, parfois là où ils doivent aller s'approvisionner, c'est un peu compliqué. Il y a cette question d'état d'urgence, cette question d'insécurité, etc., de suspicion. Donc, euh, il y a quand même des situations d'insécurité et de peur qui font en sorte que l'administration doit un peu revoir son système, en tout cas, d'approvisionnement à d'assistance à ces, à ces, personnes-là. Ces personnes éleveurs pasteurs, mais pas seulement des éleveurs pasteurs, ceux qui sont en tout cas dans ces mondes râles profonds. Et là, surtout là où se vit l'insécurité, je, vous dis que c'est difficile. Alaj Al-Mansour Mohamed, quelle est la situation sanitaire du cheptel En tout cas, selon les, informations que nous reconnaissons auprès de nos, de nos répondants, euh, nous n'avons pas de cas de situation de maladie. Nous n'avons pas eu, va. vent. Et, voilà, par rapport à cette question-là, la préoccupation aujourd'hui, c'est comment maintenir ce cheptel bétail-là en attendant que la situation d'hivernage se normalise c'est maintenant qu'il faut euh, soutenir ces éleveurs. Par exemple, les éleveurs qui viennent du sud pour aller dans la zone pastorale. Ils sont dans cette bande-là, de Dakoro, Akadana, ils sont là en attente. Ceux qui sont dans le nord, ils sont confinés, Ngal, Chantobar, etc. Et, mettent dans des situations difficiles. Comment les, soutenir en aliments pour eux-mêmes, les pour eux-mêmes et pour leur cheptel Le temps que la situation hivernale se normalise. Maintenant, que faire de ceux qui sont aujourd'hui, euh, permettez-moi le terme, chassés de leur zone traditionnelle d'élevage par rapport à l'insécurité Qu'est-ce qu'il faut faire avec eux Parce que bientôt, il y aura, de, on va, qu'il y aura les semis, les agriculteurs vont s'aimer, les éleveurs sont à côté d'eux. Qu'est-ce qu'il faut faire Surtout dans la région de Tlaberi, dans le nord-ouest de, Vous savez, le nord-ouest de Tawa également constitue de, aussi une zone foyers d'insécurité aussi et, le notre Qu'est-ce qu'il faut faire de ces éleveurs-là qui sont là autour des gros centres au moment où on s'apprête à, s'aimer. Ça, c'est une préoccupation. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter les conflits ruraux Alaj Al-Mansour Mohamed, quelles sont les dispositions prises par votre association, le CAPAN, en termes d'appui, conseil et assistance aux pasteurs et éleveurs Oui, nous, nous faisons effectivement des rencontres de sensibilisation et de formation et d'ailleurs certaines vont commencer très bientôt dans la région de Dosso et de Tawa. Et comme vous le savez, nous faisons le plaidoyer pour la, sécurisation des systèmes, pastoraux, également pour la question de prévention et de gestion de conflits. Nous sommes en train de voir, d'aller vers la région de, de Goudoumaria. Il y a aussi là-bas des tensions terribles. Il y a des problèmes dans la zone du Bougarmara entre éleveurs et agriculteurs, où nous sommes en train de voir... Euh, comment nous y rendre. Donc, euh, je dis que vraiment, il faut euh, nécessairement développer, de mon point de vue, la communication et l'information. Nous avons l'habitude de dire. Nous sommes dans un cadre de la décentralisation où les maires ont un rôle à jouer. Aujourd'hui, il y a transfert de compétences, en partie. Certaines questions, n'est-ce pas, peuvent être réglées au niveau décentralisé. C'est vrai avec l'appui des ONG, des actions comme nous autres. Mais je pense que les élus locaux ont un rôle à jouer dans le cadre de la décentralisation, en tout cas à travers leurs compétences. Donc la population doit être encadrée. L'encadrement des populations, l'information, la sensibilisation est importante. Parfois, c'est des petites incompréhensions. Et ces communautés rurales-là, verts agriculteurs, là où elles sont, moi j'ai fait presque toutes les communes de, de Dosso récemment, mais elles sont obligées de vivre ensemble. Parce que partout, vous trouvez un village dans la région de Dosso, un village euh, sédentaire, entre comme, comme, on a l'habitude de dire, on trouve euh, un autre village euh, nomade, pour ne pas dire Pelle ou Touareg autre. Donc, c'est, et, et, tout le monde a grandi ici. Ils ont vécu sur les terres. Donc, c'est vraiment un encadrement qu'il nous faut pour ces communauté pastorale là Et, et n'est pas dit, et, éviter, moi je le dis toujours, qu'ils ne peuvent pas chacun vivre de son côté. Il se complète et à nous de développer des outils, surtout l'État, pour en tout cas euh, encadrer ces populations-là, rendre justice à chacune, parce que l'occupation de l'espace aussi constitue un problème. Si vous changez de vocation à un espace, l'une des parties va protester. Si une terre, agricole devient une terre pastorale, une terre pastorale devient une terre, etc., sans l'accord des communautés, ça devient un problème. Moussa Alignali, nous sommes ici au Sahel. Le Sahel est confronté depuis quelques années à des effets de changement climatique. Euh, comment éviter ou faire face aux aléas climatiques euh, Merci une fois. Donc, euh, toujours pour le souci donc, de l'atteinte de, la, la, lutte contre l'insécurité alimentaire et l'atteinte de, de l'autosuffisance alimentaire, je pense que on est dans un contexte indéniable du changement climatique. Rien ne se maîtrise. Donc tout vient, on prend les choses comme ça se présente à nous. Mais l'homme, comme on le dit, a des potentiels d'adaptation à la situation qui se présente en lui. Et de ce sens que si nous voulons réellement et tirer profit et avoir l'autosuffisance alimentaire dans un contexte de changement climatique, moi je pense que c'est de créer un certain nombre de conditions. Ici au Niger, euh, la pandémie du coronavirus et ces changements climatiques doivent nous interpeller à ne plus compter sur l'extérieur, mais à changer donc de comportement en faisant donc des industries locales. Il faut appuyer à la promotion donc des industries locales. Parce qu'aujourd'hui, l'exemple a montré que même si tu as ton argent, tu ne peux pas aller chez le voisin pour payer. Il a fermé sa frontière. Donc avec ton argent, tu ne peux pas aller. D'où maintenant, il faut songer à comment disponibiliser ces produits localement. En faisant quoi On peut bien faire... Déjà, il y a, des embryons d'industrie, de, production, donc de, que ce soit donc dans la multiplication des semences, il y a des industries semencières au Niger. Il faut il faut les donner un coup de main. Il y a les multiplicateurs de semences, il y a les institutions de recherche telles que l'INRAN, et euh, les ils ont des variétés qui sont, euh, se restent disponibles, mais qui restent à vulgariser au niveau donc des, des, communautés. Donc il faut renforcer le système de vulgarisation. Et Dieu merci, avec euh, l'agence de promotion du conseil agricole, cela peut être renforcé et être un outil donc de, vulgarisation et d'appui conseil pour que les populations ou bien les, les, les, paysans pour lesquels donc cette recherche a été effectuée, pour qu'ils puissent prendre conscience et prendre connaissance de l'existence donc de ces, de ces semences, de l'existence donc de ces variétés, de leur résistance et maintenant donc d'aller vers la vulgarisation et l'adaptation donc de ces, de ces semences-là. Quoi. Cela aussi peut passer donc par le renforcement donc de capacités de nos populations et de nos populations paysannes, que donc à travers le système de champs école agro-pastorales, où donc les, euh, euh, c'est une école pour les agriculteurs et par les agriculteurs, où il y a des démonstrations. Donc, qui sont faites et qui sont être censées donc euh, répliquer à grande échelle quoi. Donc il faut créer donc des usines, il faut promouvoir, il faut subventionner les petites industries qui sont là. Je pense à la Cederma de Doussou, qui n'a rien à envier aux multinationales là-bas. La dernière fois au niveau donc du, du, Sahel, moi j'ai vu des artisans qui ont fabriqué donc avec des matériaux locaux des tracteurs qui sont bien adaptés donc aux, conditions locales et qui requièrent moins de, de, maintenance. Tu n'as pas besoin donc d'aller à l'extérieur prendre donc les, matériaux de rechange à grands frais. C'est disponible et puis c'est fabriqué localement. Quand on subventionne donc ces genres donc euh, euh, d'initiative, le pays a gagné a gagné doublement. Non seulement euh, les capitaux restent au Niger, la technologie se, se développe parce que euh, maintenant les, les, paysans sur eux qui, qui vont remonter l'information donc au niveau donc de ces fabricants là pour dire ok votre appareil là voilà nous l'avons testé voilà où nous voulons que vous changez de, de, comme ça et c'est des matériaux qui peuvent être changés localement même avec les forgerons au niveau donc du village il y a des pièces qu'ils peuvent euh, changer et puis donner quoi et pour ce qui est donc de l'engrais aujourd'hui avec la fermeture de la frontière avec le Nigeria le Niger ne, peut pas s'approvisionner en, engrais et même les populations qui, deux fois, donc, traversent la frontière, le long de la frontière pour aller s'approvisionner au Nigeria, c'est un problème. Si maintenant on développe des unités donc, de production d'engrais, de compost, ici on a beaucoup d'ordures qui sont gênantes euh, euh, gênants ici. L'État investit donc des milliards pour assainir les villes. Mais s'il y a des industries donc, de production donc, de compost, c'est eux-mêmes qui vont venir payer les, déchets, aller les trier et puis faire le compost et puis mettre ça à la disposition donc, de nos producteurs pour aller, à moins de frais, pour aller euh, enrichir donc les, les sols. Donc, ça devient un système donc de recyclage. Comme disait un, penseur, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Aussi, donc, l'autre côté, l'État doit encore, toujours dans cette quête d'autonomie, de, d'autonomisation, donc sur le plan sécuritaire, l'État doit cibler des grands producteurs avec des moyens, avec des grandes superficies, il faut les subventionner. Parce que eux, déjà, c'est des gens, c'est leur, leur vocation, ils ont les moyens, donc il suffit donc de les accompagner. Et en les accompagnant, même si au niveau, donc, quelque part, les petits producteurs, où il n'y a pas de maîtrise, de, euh, de maîtrise d'eau, il n'y a pas de maîtrise donc de précipitation, soit ça vient tardivement ou bien ça, ça part de façon précoce, mais eux, quand c'est des fermes agricoles, quand on les subventionne, ils peuvent produire à grande quantité et puis compenser le déficit qui peut être constaté ou bien qui peut euh, advenir quelque part. L'idée ici, c'est de mettre les, les produits, d'assurer que donc les produits sont disponibles et abordables au grand public sur le marché en tout temps et en tout lieu. Moussa Lignali, à présent, quelle est la contribution de votre association Mouriben en termes d'encadrement, appui, conseil aux paysans et aux producteurs Merci. En termes donc d'appui, conseil, je rappelle que donc la fédération Mouriben est l'une des toutes premières organisations paysannes au Niger à avoir signé un contrat de performance avec euh, l'agence de promotion du conseil agricole, qui est une nouvelle agence aussi donc, euh, dans le cadre donc, de l'appui conseil. Ce faisant, au niveau donc, de la fédération, nous avons plusieurs chaînes de structuration. Donc, il y a les cadres, les cadres techniques donc, au niveau donc, du siège, il y a les animateurs endogènes, il y a les paysans relais donc, pour assurer l'encadrement de proximité. Et de l'autre côté, la fédération, avec euh, l'appui donc, de ses partenaires, mobilise un certain nombre donc, de ressources pour s'approvisionner et puis disponibiliser donc les, les, intrants. cette année, donc, avec, on a un premier lot, on a euh, euh, dispatché un premier lot donc, de 16 tonnes de semences pour débuter. Je rappelle bien que donc, la campagne, jusque-là, elle n'est pas installée à 100% comme on, on a l'habitude donc, de le voir. Est-ce que les paysans ne sont pas en retard euh, En retard, oui et non. Pourquoi je dis oui parce que euh, d'habitude, au mois de juin, il y, a certaines localités où c'est même au stade de Montaison. les gens ont fait les premiers cerclages. Or, actuellement, donc, il y a des localités qui ne même pas semé. Donc, dans ce sens-là, c'est un peu alarmant. Les gens sont en disponibilité donc, des semences, mais la pluie fait euh, défaut. D'où maintenant le souci donc, de s'adapter aux réalités qui se présentent en vous. La pluie donc tarde. Maintenant, il faut avoir des semences précoces qui peuvent euh, boucler le cycle avec un peu de précipitation. Voilà un peu le souci qui se dégage. Alors, Monsieur Mohamed, quelles sont les dispositions prises par le CAPAN euh, de concert avec les autorités euh, administratives pour éviter ou minimiser d'éventuels conflits entre agriculteurs et éleveurs Merci. Le CAPAN, comme euh, je vous le dis, qui fait quand même du plaidoyer et qui fait le suivi des actions publiques également. dans le cadre, en tout cas, de votre question en rapport avec les, conflits, c'est ça Agriculture et C'est que, euh, en ce qui nous concerne CAPAN, nous, organisons des activités dans des zones euh, souvent euh, sujettes à ces conflits. Vous savez, dans le Niger, il y a des zones souvent où... Donc vous avez répertorié les zones... Il y a des zones, vraiment, il y a des zones... Exposées aux Tous les éleveurs, tout le monde hein, ils savent qu'il y a des zones un peu où il y a généralement des conflits qui reviennent. Tout à l'heure, je vous ai parlé de Goudoumaria. Souvent, euh, à Souboudou, c'est toujours Zander, Zander Goudoumaria, c'est Difa. Un peu partout, il y a des cas. Et là, on met en fait souvent des actions de sensibilisation ou, des ateliers. je voulais dire, actuellement, nous avons encore d'autres activités qui seront sur le terrain. Et l'autre aspect, c'est que nous remontons également l'information. Et parce qu'au niveau local, également, nous travaillons avec les, maires. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un cadre de la centralisation où certaines euh, préoccupations, euh, nous les réglons souvent en rapport avec euh, l'administration locale, les maires, etc., etc. Je vais revenir un peu par rapport à Comment faire pour qu'on sorte de ce cercle-là, d'assistanat-là je pense, je pense qu'il faut au Niger que nous développions l'irrigation. Et quand on parle d'irrigation, on ne voit pas seulement la culture, euh, l'écriture euh, végétale pour les hommes, mais il faut aussi produire pour les animaux. Parce que ça se complète. Il faut développer l'irrigation. Il faut mettre l'eau à la disposition de la jeunesse. Nous avons une jeunesse qui chante. Tout cela nécessite des gros moyens. Ah oui, il faut, le faire, mais c'est de gros moyens que, les gens déploient pour importer du riz ou d'autres choses. C'est de gros moyens. Si on s'y met pour développer l'irrigation, faire en sorte que notre alimentation provienne de, de cette activité, nous allons peut-être susciter aussi les industries de transformation. Il faut développer les chaînes de valeur. Eux-mêmes, ils l'ont dit. Quand vous approchez le ministère en charge de l'élevage, de l'agriculture, vous, interrogez euh, l'administration de façon générale, ils vous diront que nous avons des potentialités en eau souterraine. L'État va vous dire que nous avons des, des terres irrigables, n'est-ce pas L'État va vous dire que nous avons ceci et cela. Essayons de mettre au profit toutes ces potentialités pour qu'on se développe. Aujourd'hui, on ne peut pas euh, se développer en, important du riz, par exemple, en important de, la viande, en important ceci et cela. Nous avons des potentialités dans ces pays qu'il faut développer. Même l'élevage aujourd'hui, on peut faire avoir un avantage comparatif à travers les produits de l'élevage par rapport à d'autres pays. Nous pouvons aujourd'hui développer. Vous, vous avez le sentiment que le, gouvernement ne fait pas assez dans ces deux secteurs vitaux euh, de l'économie nigérienne Je ne dis pas qu'il ne fait pas, mais moi je, vois. Je, ne dis pas qu'il ne fait pas. ne fait pas. C'est vrai pour moi, il ne fait pas assez. Il ne fait pas assez tant que moi, je ne vois pas un Niger reverdi à travers l'irrigation. L'eau, nous avons de l'eau n'est-ce pas, développer des chaînes de valeur. Il faudrait que le lait, qu'on puisse boire du lait du Niger, produit des laits de nos animaux. C'est faisable et c'est possible. Il nous suffit simplement de nous y mettre pour, pour le faire. Approchez les, les, ministères, ils vous, que il y a l'eau, même l'eau souterraine, l'eau de l'eau de sous-pluie. Nous n'arrivons pas à mieux la maîtriser. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, approchez les services techniques On devrait maîtriser cette eau-là faire des activités maraîchères en même temps avoir de l'eau pour les animaux toute l'année pour qu'ils ne viennent pas à, un certain, à une certaine période venir autour du villages pour euh, en tout cas susciter des conflits ruraux. Nous avons des potentialités, il faut nécessairement, et c'est notre plaidoyer, il faut qu'on aille vite, n'est-ce pas, dans le cadre de l'irrigation. Je sais que les I3N, dans leur, dans leur euh, document stratégique, effectivement, c'est prévu. Mais nous, en tant que Nigériens, simples Nigériens, ou en tout cas acteurs en tout cas de la société civile, nous voudrons voir euh, cela sur le terrain. Moussa Lignali, en cas de retard de semis dans une localité donnée, quel conseil auriez-vous à donner aux populations de cette localité Merci. En cas de retard, comme dans certaines localités, si je prends la zone de, de, de Bonkoukou, il y en a qui pratiquement pendant la saison des pluies ne travaillent pas. Parce que ce qu'ils gagnent dans la pomme de terre pendant la culture maraîchère, ça peut leur suffire. Donc, il y a des alternatives. Quand vous, constatez que donc, euh, le mil, par exemple, le mil ne peut pas boucler le cycle, mais pourquoi ne pas adapter donc, euh, les cultures de rente telles que le, nibé niébé Il y a des variétés de niébé qui, avec 55 jours, 60 jours, vous êtes, euh, vous êtes à, mesure donc, de, de récolter. Donc, il faut s'adapter, comme je l'ai dit. Et maintenant, euh, je reviens à un aspect très important. Tout est question donc de priorité et de volonté. Aujourd'hui, si vous regardez le visage de Niamey, cinq ans dans le par arrière, c'est pas la même chose. Vous allez vous perdre. Pourquoi Parce que l'État a fait de Niamey là une priorité. Ils ont investi. la modernisation des villes, c'est une priorité que l'État s'est donnée. Donc, est-ce que la question que moi, personnellement, je me pose, est-ce que l'agriculture est une priorité profonde ou bien réelle donc, de l'État On fait comme ça se doit. Si aujourd'hui on se donne une priorité, regardez avec le Nigeria, ils ont dit que Aujourd'hui, quand vous importez donc du riz au Nigeria, c'est comme si vous importez de la drogue. On a des potentialités. Donc, si l'État fait de ça une priorité, investit ce qu'il faut, où il faut, ici, au Niger, l'État a quand même, à travers un conseil des ministres, dit qu'à partir de 2023, il vont interdire euh, l'importation du riz. Mais ça, c'est un slogan. Ça se prépare. Hein. Moi, moi, je me dis personnellement, c'est un slogan. Qu'est-ce qu'ils font pour faire ça Qu'est-ce que réellement, si vous partez sur l'État ne peut pas, l'État n'a pas la volonté. Je, le dis et je me, défends. Pourquoi Parce que si vous voulez faire une, 2023, c'est bientôt. C'est bientôt. Qu'est-ce qui a été fait concrètement pour arriver à ce, à, à ce stade-là Rien. Il faut préparer donc la mentalité des gens. Il faut préparer la mentalité des gens. Aujourd'hui, l'État a, fait une, politique d'imposer aux exploitateurs donc de riz un pourcentage que votre riz euh, importé sur votre la quantité importée doit contenir au moins un certain nombre de, de, pourcentages donc du riz local entre 5 et 10 ça doit être du riz local mais est-ce qu'il y a des services de contrôle qui, font ça. Aucun importateur de riz n'a été verbalisé ou bien arrêté pour euh, cette, infraction. Or, maintenant, si vous partez dans les grands enseignes, les, grands commerçants qui importent le riz, vous ne trouvez pas du riz du Niger chez eux. Le riz du Niger se vend hors euh, euh, rayon de ces, grandes personnalités-là, de ces grands commerçants-là. Donc, si on veut vraiment produire Nigérien et consommer Nigérien. Il faut préparer les choses. C'est pas une politique nationale ne se prépare pas en 5 ans, 10 ans. C'est sur des décennies et eh bien c'est sur des siècles que ça se prépare. Il faut préparer les gens. Il faut même et même si vous préparez les gens psychologiquement, il faut mettre les moyens de la politique. Il faut mettre les, moyens de la politique. Aujourd'hui, si le Niger décide de ne pas importer, on ne peut pas dire de ne pas importer le riz d'ici 2023. Est-ce qu'on a la capacité donc de produire du riz à grande échelle pour nourrir tout le monde Non. Parce que si vous dites à quelle personne ne fais pas ça, il faut lui proposer l'alternative. Alors, vous, voulez ajouter quelque dire, chose Ce que j'allais dire qu'aujourd'hui, si on dit d'arrêter l'importation de riz, je suis sûr que le riz, que la production que nous faisons là, ne peut pas nourrir les dans tous les Vous Comprenez Moi, je dis qu'il faut aller à grande échelle. Il faut aller vers l'éducation, éviter les petites productions là aller à grande échelle avec l'accompagnement de, ces institutions de recherche-là, l'INRAN, l'ONAHA, etc., etc. Qu'on fasse comme certains pays voisins que je ne vais pas citer, qui se sont développés à travers cette forme d'agriculture. Des fermes périurbaines. Parce que quand une ville est créée autour de la ville, c'est le tour de la ville qui nourrit la grande ville. Développer ce genre d'initiative. Mais dire que euh, on, va, on, va, on va naviguer comme ça à vue, c'est pas possible. Et dire qu'aujourd'hui, ce sont des... Non, il faut créer les conditions, puisque nous avons de l'eau souterraine, créer les conditions pour que l'eau soit disponible avec la technologie nécessaire. Pas avec la technologie nécessaire pour que qu'on se nourrisse nous-mêmes, qu'on aille plus loin que ça. Moussa Lignali, euh, rapidement, les conflits fonciers et les conflits entre agriculteurs et éleveurs sont les plus récurrents en cette période. Comment éviter ces conflits euh, bien. Euh, je pense que pour éviter donc euh, ces conflits, il y a plusieurs façons de faire ça. Tout à l'heure, al avait dit que Al-Mansour, tant pour moi, le sujet de Kapan, il avait mentionné un aspect très important. En fait, ce n'est pas les communautés qui créent les problèmes, mais c'est des, idées inculquées de l'extérieur. Par exemple, quelqu'un peut venir de, dans une localité, à sa guise, il peut dire, bon voilà, il va changer l'ordre naturel donc, euh, des choses. Or, cela peut être source de, de, de conflits. le respect des, terres agricoles, des, couloirs, de, passage. par les agriculteurs et le respect donc, des zones agricoles donc, par les éleveurs peut tout résoudre. Et en cas de conflit, il faut essayer donc de, de, de le consensus plutôt que la vengeance. Parce que la plupart des temps, ce qui se passe ici chez nous, on a un conflit, au lieu de chercher à résoudre ça à l'amiable, il faut d'abord analyser la source même du conflit, au lieu donc de, de résoudre ça. Or, la plupart du temps, ceux qui amènent donc euh, les tueries, les, les, bagarres, quand il y a un conflit, au lieu même de se renseigner, savoir qu'est-ce qui a provoqué ça, non, non, non, on demande qui a été attaqué, qui a attaqué qui, pour la simple raison que c'était tel visage qui a fait telle chose, ou on se lance donc dans les guerres, dans les, batailles. Or, si on s'assied, on, on se raisonne, on essaie donc de voir qu'est-ce qui est à la base donc de ce conflit-là et qu'est-ce qu'il faut faire, prioriser donc le dialogue, et le consensus, donc cela peut résoudre beaucoup de choses et à moindre frais. Alaji Alamansour Mohamed, rapidement, quels sont vos conseils, recommandations pour une meilleure campagne agro-silvopastorale 2020-2021 au Niger Rapidement. Euh, la euh, pour une meilleure campagne, je pense que le plan de soutien dont parlait le, ministre, de, l'Agriculture et de l'Élevage. Euh, nous souhaitons vivement qu'il soit mis, en route. Il faut justement accompagner les paysans, pour ne pas dire les éleveurs pasteurs, en entrant. Et accessibles là où ils sont. Les entrants doivent être accessibles. L'autre, surveiller l'état sanitaire des animaux. N'est-ce pas La question de l'insécurité est au cœur de toute action de développement. On ne peut pas aujourd'hui développer euh, ce Niger ou développer en tout cas nos éleveurs pasteurs là où ils sont là-bas dans ces zones-là. Tant qu'on ne crée pas les conditions ultimes de sécurité. La sécurité au bout de tout. Donc, euh, il faut, un, renforcer la sécurité dans les zones pastorales, là où il y a l'élevage. Ça va nous, nous, éviter des conflits entre Nigériens, entre agriculteurs rivières. Deuxièmement, surveiller l'état sanitaire des animaux. Et troisièmement, rapprocher l'aliment bétail pendant cette période, en attendant, euh, en attendant que l'hivernage s'installe rapprocher l'aliment bétail des éleveurs pour qu'il soit accessible, réduire les distances parce qu'un éleveur ne peut pas aller à 50, 60 km chercher un, sac qui coûte 10 euh, 000 ou 15 000, quelque chose comme ça, etc. etc. Et maintenant, euh, vraiment penser à, des, à faire une, euh, à, un quelque chose de durable. Qu'on sorte des urgences, des, urgences, des, actions humanitaires, etc. C'est un cercle infernal qu'on va, qu'on s'inscrive dans une vision durable, en tout cas du développement. Moussa Lignali, rapidement, vos, conseils conseils, recommandations euh, Ok, moi ce que j'aurais euh, à dire pour euh, un bon déroulement donc, de, cette campagne-là, il faut prendre les mesures qui s'imposent en, faisant, en créant donc les conditions qui, s'imposent. Là où déjà donc, les gens ont pu, pu semer, donc c'est de voir comment accompagner, quelle stratégie, ou bien d'essayer donc de diagnostiquer les possibles menaces qui peuvent être à l'horizon et puis de prendre les dispositions idoines. Quoi. Je me rappelle qu'il y a un certain temps, on parlait donc de menaces de, de pèlerin mhm. dans euh, la zone donc de l'Afrique de, de, l'Afrique de l'Est. Et on avait sonné donc euh, les alarmes donc euh, il y aura donc des éclosions et des mouvements imprévisibles. Donc à tout moment donc le Niger doit prendre les dispositions avant que cela n'arrive. Et aussi, donc, la campagne, euh, l'État voit très bien que donc il y a beaucoup donc d'endroits qui n'ont pas semé. Donc d'où maintenant il faut anticiper sur la campagne donc euh, euh, de culture de contre-saison en attendant donc la fin donc de cette campagne là afin que dès qu'on dise que donc voilà top la campagne maraîchère a commencé donc toutes les dispositions sont prises tant en entrant qu'en accompagnement donc nécessaire pour euh, cette campagne-là. Voilà, conscient de l'importance euh, du développement des secteurs de l'agriculture et de l'élevage pour le développement d'un pays pauvre comme le Niger, l'État et ses partenaires ont le devoir d'investir conséquemment dans ces deux secteurs pour l'atteinte des objectifs de développement durable qui visent à mettre un terme à la faim et à la malnutrition sous toutes ses formes d'ici 2030. Nous sommes au terme de ce forum Dissidio Kalangou. Nous avons eu le plaisir de recevoir Moussa Ali chargé de programme de l'association Mouriben, et El Haj El Mansour Mohamed, secrétaire général du collectif des associations pastorales du Niger, Kapana. Nous avons également invité le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, mais aucun représentant n'a pris part à ce forum. Merci à nos invités et à vous tous pour votre fidélité au programme Dissidio Kalangou qui vous parvient grâce à nos 45 radios partenaires. Merci aussi à la technique côté son assurée par Issa Lawali et côté vidéo Mustapha Ayouba. Merci, au revoir.